le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Approvisionnement en bois des centres urbains et périurbains par les marchés ruraux du bois au Niger entre enjeux économiques et survie environnementale. Les marchés ruraux sont des places et endroits où sont installées des structures organisées agréé par l'administration des forêts et pour l'exploitation du bois à des fins commerciales hors des grandes agglomérations et selon les prescriptions du schéma directeur d'approvisionnement en bois énergie. Le marché rural est approvisionné à partir d'une zone d'exploitation correspondant à la partie forestière du terroir du village concerné appelé forêt villageoise, délimitée d'un commun accord entre la structure locale de gestion, concerter les populations des terroirs voisins et l'administration forestière. Cette émission permettra au grand public de mieux comprendre la situation actuelle des marchés ruraux du bois au Niger, leur utilité pour les populations rurales et urbaines et leur impact sur l'environnement. Pour ce faire, nous avons le plaisir euh, de recevoir au téléphone euh, Souleymane Bokoy de la direction euh, de la gestion durable des terres au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Souleymane Bokoy, bonsoir. Bonsoir. Adamou Ougarba, président du Parti écologique du Niger, le RSV Nima. Adamou Garba, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, toujours Maman Saini, secrétaire général de l'Association des exploitants du bois au Niger. Maman Saini, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Garba, président du réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique. Issa Garba, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. commandant Bokoy Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, c'est un plaisir d'être avec vous et surtout de, parler de, de matériaux qui sont très importants pour nous. Donc, je reviens un peu sur la définition que vous avez donnée. Vous avez correctement donné la définition, mais je vais, je revenir sur deux mots de la définition sur le cadre de gestion qu'on appelle FSG, qui est un bureau élu de 8 personnes, y compris le chef du village, comme membre, euh, comme président de maire, qui fait que à l'Assemblée générale, pour gérer le marché rural des bois. Et aussi, c'est euh, la vente hors des termes d'agglomération. C'est-à-dire la vente qui faite sur le lieu du prélèvement. Vous savez, avant, la, la, la commerce de transport du bois se faisait en régie. C'est-à-dire, euh, le commerçant transporteur vient directement au niveau de postes pour prendre les messages et aller directement au niveau du village avec ses propres bûcherons pour exploiter et, la forêt. Comme nous avons constaté la population, la population de l'État était hors système, c'est-à-dire elle bénéficie de l'aide. Mais avec le système de marché, le commerce transporteur va directement au niveau du marché, au niveau du village, pour payer le bois et donner la taxe au niveau du gérer au niveau du village. Donc voilà la différence. Et au niveau de la typologie des marché, il faut comprendre qu'il y a deux types. Le système contrôlé qui approvisionne à partir des zones délimitées avec un plan d'aménagement. Ça, ça concerne l'exploitation du bois mort et du bois vert. Avec, je dis bien, un plan d'aménagement qui est un guide pour l'exploitation de la forêt et de type orienté maintenant et approuvé à partir du bois mort. Mais ce type de marché orienté, ça a été créé au moment où il y avait beaucoup de bois mort dans la forêt. Mais progressivement, la loi 2004 a vraiment complètement effacé ce type de, euh, de, marché parce qu'il n'y a, pas, a pas de bois mort actuellement sur le monde. Voilà la je sais que dit par rapport à la des Commandant Suleiman Bokoye au Niger, quelle est la réglementation en matière euh, de la coupe du bois Oui, la réglementation, la, loi, comme je l'ai dit, l'ordonnance 92-037 du 21 août 2000, 1992 euh, qui a, qui initié les, les bois, qui a initié la nouvelle taxe sur le qui a initié les, structures locales de gestion, qui a même initié l'aménagement forestier. En dehors de cette loi, il y a aussi la, la loi, en la loi, 2004-040 du 8 juin 2004 aussi qui complète cette loi par rapport à la gestion de nos forêts. Euh, Suleiman Bakoy, est-ce que cette réglementation est respectée sur le terrain Sinon, pourquoi oui, je voulais encore revenir sur le, euh, sur le marché rural pour un peu parler du fondement même du, du marché euro. Donc, le marché euro, pour bien comprendre, ça découle de la, la stratégie énergie domestique qui a été initiée par le pays dans les années 80 et 90. Et 90. Ça a été initié suite à des constats d'échec des politiques intérieures qui étaient vraiment très, très conservatrices tel conservatoire et des méthodes répressives qui excluaient totalement la population de l'exploitation. Comme je l'ai dit, le commissaire transporteur il vient à Régie prendre les passés à directement dans les marchés exploités sans vraiment prendre d'aménagement et Donc la demande à ce là la demande était très forte. Déjà en 1988, la demande de bois était à, plus de 2 millions de tonnes. Vous voyez, et les moyens étaient insuffisants au niveau du service forestier pour contrôler en, en tant qu'humain et en tant pour contrer l'ensemble de ma sécurité. Donc, c'est dans ce cadre que le, le Niger a initié la politique de la stratégie énergie biotique, qui est une stratégie qui est fondée non seulement sur la gestion de l'existence de la forêt, mais premièrement, l'offre, c'est-à-dire gérer ce qu'on a dans les massifs forestiers et en termes que développer des moyens d'économie du bois, vous voyez, améliorer, en même temps progressivement remplacer les voies Donc, c'est des politiques qui ont été initiées dans les années 80 et 80 qui a bien marché et qui ont eu l'accompagnement des projets, projets d'énergie, des projets d'énergie domestique, des projets par contre, pour accompagner le, le, le, pays à restaurer ces choses. Adamou Garba, en instituant les marchés ruraux, l'État nigérien, euh, certes, restitue aux ruraux la légitimité de la gestion et de l'exploitation euh, des ressources ligneuses du terroir, mais surtout sur le plan économique économique, donne au marché rural le monopole de la vente locale du bois provenant du terroir euh, du village. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose le fait euh, d'instaurer euh, ces marchés ruraux Bien, j'aimerais avant de répondre une fois de plus remercier le studio Kalangu qui nous donne la possibilité de d'échanger sur euh, des questions d'importance comme euh, celle euh, du bois énergie au Niger et surtout de sensibiliser notre population sur cette question. Effectivement, si dans les années 80, une politique a été mise en place pour pouvoir gérer le bois énergie au niveau des différents villages, aujourd'hui, plus de 40 ans après, nous pensons que ces politiques ne peuvent plus être d'actualité. À l'époque, déjà euh, dans les années 90, euh, nous avions émis beaucoup de réserves sur ces politiques, étant entendu que le Niger se situe dans un contexte climatique totalement différent des pays qui ont des grandes euh, forêts naturelles. Et nous, nous sommes en période, enfin, nous sommes dans une zone de savane et que la pluviométrie est allant toujours à la baisse, euh, la régénération ne se faisait pas de manière euh, automatique comme on le pensait. Effectivement, dans la région de Torodi, euh, l'expérience qui a été menée là-bas à l'époque était une expérience que nous avons plus ou moins critiquée parce qu'on se disait que lorsque vous donnez à la population le feu vert d'aller couper du bois vert, de le faire sécher et de le vendre, déjà on crée les conditions pour euh, vraiment une déforestation de notre environnement. Lorsqu'on prélevait encore du bois mort, du bois sec, on pouvait le comprendre, mais vraiment donner l'autorisation officiellement, à la population de couper du bois vert et d'en faire une source d'énergie. À l'époque, euh, on avait mis beaucoup de réserves. Et mieux encore maintenant avec euh, l'utilisation du gaz butane et la prolifération des sociétés qui commercialisent ce gaz et de plus qui est maintenant produit au Niger, nous pensons que le contexte a véritablement changé et que les politiques dans ce domaine devraient également changer. C'est pourquoi euh, nous pensons que ce projet aurait dû être évalué comme mettre fin à ce projet, quitte à ce que dans certaines régions encore qu'on maintienne pour le besoin de la population, parce que euh, il y a une politique, comment on va dire. Euh, et surtout, sans vous couper, Monsieur le Président, en ce temps-là, le Niger n'était pas frappé de plein fouet euh, par les effets du changement climatique. Absolument. Donc, les effets climatiques, euh, des changements climatiques sont venus nous rappeler à l'ordre pour dire que véritablement, il faut prendre des options et qu'il fallait arrêter de couper le bois tous azimuts. Si dans certaines régions, on peut se permettre encore de laisser faire, parce que la gestion est bien organisée, les marchés sont bien organisés, il y a la régénération, la population a été formée pour cela, mais il y a encore des zones où on ne peut plus laisser faire, parce que c'est vraiment, comme on dit, scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et aujourd'hui, il faut penser à d'autres sources d'énergie nous avons fort heureusement le gaz butane, mais nous avons également le, charbon Minéral. Nous avons le charbon minéral, comme vous dites, nous avons le solaire et puis nous avons d'autres sources. Adamou Garba, la création des marchés ruraux et la nouvelle réglementation forestière du bois énergie vise à assurer une rupture radicale avec euh, la situation et les pratiques antérieures. Euh, cette réglementation est-elle respectée sur le terrain Bien, même sur le terrain, cette réglementation, je pense qu'elle n'est pas respectée à partir du moment où la réglementation a bien encadré, euh, comment on veut dire, euh, ces marchés ruraux. Mais véritablement, quand on va en profondeur, on se rend compte que les règles ne sont pas respectées jusqu'au bout et c'est ce qui crée ce déséquilibre entre la quantité de bois que nous pouvons produire, qui existe, et la quantité de bois qui est soutirée à notre, euh, à notre maigre source euh, ligneuse. Issa Garba, euh, quelle est votre opinion au sujet des marchés ruraux du bois en tant que représentant de la société civile Merci Mokhtar, merci au studio Kalangu, merci aussi au président Adam Garba. Euh, surtout de l'opportunité que vous nous donnez de temps en temps pour qu'on vienne euh, s'apaisantir ou bien donner notre opinion en ce qui concerne euh, la, marche du Niger et souvent sur des questions thématiques telles que la question environnementale où aujourd'hui nous allons discuter sur la question de la consommation du bois et surtout par rapport aux marchés ruraux qui sont aujourd'hui, qui prolifèrent un peu partout. Et effectivement, notre opinion en tant que société civile, comme tu as pu poser la question, notre opinion elle est claire. Nous ne pouvons jamais encourager une prolifération de façon, parce que moi je le dis, je le dis sans embâche, que de façon anarchique. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas du bois mort qui sont commercialisés, mais les gens coupent du bois vert, que nous n'en avons pas. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous n'en avons pas. La savane même que nous avons, c'est une savane tigrée, c'est-à-dire les arbres, les arbres sont dispersés. C'est comme les taches des tigres. Donc c'est pourquoi on dit que nous avons une savane tigrée. Donc aujourd'hui, et aujourd'hui, nous n'avons même pas, au moment où nous sommes en train de demander aux populations ou bien aux communautés d'aller vers la régénération naturelle assistée, qui est la RNA, pour pouvoir régénérer naturellement, parce que tout à l'heure le président l'a dit, difficilement, parce qu'au vu de la faiblesse des pluviométries, que euh, euh, de façon naturelle, les arbres puissent, se régénérer. Mais maintenant, avec euh, les techniques de régénération, parce que les gens, pour faire des champs, ils déciment des centaines d'arbres pour faire un champ et, les champs sont à perte de vie, Tu vas voir un champ de 10 hectares, aucun arbre. Et ça infertilise le sol, ça dégrade le sol. Donc nous avons compris que cette technique peut amener à ce que non seulement de récupérer les terres et régénérer euh, de façon assistée les, les, arbres. Et maintenant on dit que non, non, au moment où nous sommes en train de développer cette technique, on autorise des communautés à couper, et c'est, c'est à couper, c'est du bois vert. Il n'y a pas du bois, du bois, mort il n'y en a pas, c'est du bois vert qui sont coupés et séchés. Et là, tout le travail que nous, ONG, associations, sommes en train de faire chaque fois pour planter des arbres, mais ce qui veut dire qu'on ne va jamais atteindre notre objectif. Selon vous, Issa Garba, il faut arrêter, et euh, repenser à une nouvelle politique. Une nouvelle politique, parce que dans tous les cas, il y il y a une politique énergétique nous ne pouvons que nous conformer à cette politique énergétique que nous avons. Et nous sommes d'accord à cette politique énergétique. Il y a un décret d'application de cette politique énergétique. Elle ne doit pas être contraire aux autres documents de la République, aux autres, euh, plans ou bien stratégies par rapport à l'environnement. Ça doit être les deux politiques doivent se concorder. Issa le Niger dispose d'un plan forestier national qui est une réponse aux engagements nationaux et internationaux en matière de développement forestier à l'horizon 2021. Que faut-il euh, comprendre au sujet de ces engagements Non, mais c'est un engagement bidon. Moi, je le dis, c'est un engagement bidon, c'est un engagement où il n'y a, a, que, c'est-à-dire, c'est pris, oui, on a pris l'engagement. Mais concrètement, quand tu prends dans le budget national, qu'est-ce qui est investi par rapport, par rapport à la reforestation Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ce, quand, tu, quand tu prends tous les investissements qui sont faits, c'est peut-être les partenaires extérieurs qui le font. Quand un pays prend un engagement, il s'assume par rapport à son budget national. Donc, selon vous, le Niger ne peut pas être au rendez-vous de 2021 bah, au rendez-vous de 2021. moi, je pense que ça serait très difficile. Parce que quand vous dites 2021, c'est dans un an. Hein. Dans un an, aujourd'hui, dans un an, là, moi, je vais te dire une chose. Tu fais, toutes les communes du Niger, tu ne vas pas trouver plus de 50 communes qui ont des bosquets communaux, qui ont des, trucs communaux, des, pépinières communales. Et, forcément, pour atteindre ça, normalement, il doit y avoir des bosquets, des, des pépinières communautaires. Chaque village même devait avoir une pépinière. Mais aujourd'hui, vous avez des communes où il n'y a même pas de pépinière. Ou s'il y a la pépinière, il n'y a pas d'eau. S'il y a l'eau, il n'y a pas de pépinière. Avant-hier, je te disais que nous avons fait un peu le tour de certaines communes. Ils n'ont jamais. Ils n'ont jamais eu, depuis la décentralisation, ils n'ont jamais eu. Et surtout, l'État a cessé de produire des plans. L'État achète des plans. Où est-ce que tu as vu où on vend des plans d'envergure Le ministère de l'Environnement ne produit plus de plans. La direction générale des eaux et forêts ne produit plus de plans. Ils achètent. La direction générale de l'environnement et du développement durable ne produit plus de plans. Ils achètent. Donc l'État a arrêté de, de produire des plans c'est les privés, ils achètent avec les privés. Auparavant, c'est au niveau là où se trouve la direction générale de, l'environnement, un peu en bas, en allant vers, quand tu descends, quand tu rentres dedans, quand tu descends vers le fleuve, c'est là où la DGF produit ses plans. Mais aujourd'hui, la DGF ne produit pas ses plans, même pour les 3 août. Ils achètent. C'est un péril là, selon vous. Là, mais c'est inadmissible. Oh, c'est inadmissible. Quand un pays renonce même à la production, l'État renonce même à sa propre production des plats, mais c'est inadmissible. Alors que, vous, dis-moi, dans ce pays, qui est le producteur privé qui fait une production de 10 000 francs par an Issa Garba, euh, l'économie du Niger est essentiellement basée sur le secteur primaire, notamment euh, le secteur rural. Est-il aujourd'hui facile de pouvoir réglementer la coupe de bois au Niger Oui, c'est une question de volonté politique, mon cher. Mais ceux qui le font ailleurs, là, ils ne sont pas aussi... ciel, hein. ils sont des, des humains comme nous, ce pas des extraterrestres. C'est une question de volonté politique. Tant qu'il n'y a pas de volonté politique, parce c'est quoi, pourquoi je dis la volonté politique Les gens ont peur de prendre des décisions parce qu'ils ils pensent qu'ils vont retourner devant ces communautés-là pour leur dire votez pour moi. Ils ont peur d'assumer leurs responsabilités. Alors que quelque part, ils ont, ils, ils ont la responsabilité même face à l'histoire. Même face à l'histoire. Aujourd'hui, quand on parle de la ceinture verte, tu es obligé de parler de Kounche. Mais s'il ne l'a pas fait, tu vas parler. Aujourd'hui, il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui ne regrette pas la ceinture verte. La disparition programmée de la ceinture verte. Et aujourd'hui, c'est une question. Et qui, qui, qui qui sont en train de décimer cette ceinture verte Mais c'est les hommes politiques, ce n'est pas autre chose. Qui a le moyen le, Toi, moi, le président, nous n'avons pas le moyen d'acheter un centimètre dans la ceinture verte. Hein? Et qui déclasse la ceinture verte pour donner à des Turcs, à des, à des Français Bolloré, à, euh, autres. Mais c'est les politiques. Ça, il n'y a pas de volonté politique. On peut bel et bien encadrer ça et réussir ça. Maman Saini, que peut-on dire au sujet des marchés ruraux du bois au Niger eh, donc, euh, la première des choses, je remercie d'avoir euh, le studio Kalangou, vraiment, qui nous a donné cette opportunité-là, vraiment, de s'exprimer sur le problème d'actualité. Donc, le problème d'actualité qui est la gestion des ressources naturelles, la gestion du bois énergie, qui est très, très, très, très cher pour nous aujourd'hui. Donc, euh, la première des choses, je veux dire d'abord euh, l'accès à l'énergie, tout comme euh, l'accès à l'eau, à la nourriture, l'accès à l'énergie est un droit humain fondamental, mais dans des restes écologiques. Donc, l'État doit fournir de l'énergie à tous les Nigériens euh, euh, qui sont des qui sont des, nationalités nigériennes. Mais quand même, maintenant, euh, les gens ont parlé donc de produits de substitution, de le bois. Mais on ne peut pas empêcher et de couper le bois sans pour autant mettre à la disposition des populations d'autres sources alternatives, qui est le gaz et le charbon minéral. Si vous prenez maintenant et la population nigérienne, ils ne sont pas satisfaits. parce que c'est les 10% qui utilisent euh, l'énergie de substitution-là, qui est le gaz minier, qui là ils ne sont pas satisfaits. Maintenant, si vous prenez, si on dit aujourd'hui c'est le temps du caractère, dès nos 10 vous allez voir les populations circuler par-ci, par-là, avec leur bouteille du gaz, pénurie du gaz. Donc, il faut avant de penser d'abord à l'introduction ou bien à l'abandon donc de ces produits forestiers lieu donc c'est de penser d'avoir à, mettre à disposition vraiment à titre quantitatif donc de ces produits forestiers et de, ces produits de, substitution. Donc pour les marchés l'eau donc je vais en revenir un peu. Donc Isabelle a parlé donc de la régénération naturelle assistée. Donc, il n'y a pas une régénération nationale, euh, nationale mieux que la coupe de ce bois vers la qui est faire dans le respect du monde. Parce que maintenant, ce qui se fait, et maintenant, on prend un, euh, comment on appelle ça, et une superficie de la zone où on est ça en trois parties. Donc, euh, on continue on, fait d'abord un inventaire forestier, on quantifie les ressources. Quand on quantifie les ressources, donc chaque et chaque partenaire détermine le quota d'exploitation. Donc, si le quota de, terrain est exploité pendant trois ans, maintenant, pourquoi cette politique donc, de la coupe du bois, du bois mort là, du bois mort là plutôt, donc c'est une politique qui est faite donc pour accroître la régénération naturelle. Parce que maintenant, si on fait eh, le, partenaire là, on, on, on exploite ça pendant trois ans, on parle le deuxième parcelle, on exploite pendant trois ans. on parle de troisième parcelle, on exploite dans le, troisième parcelle, donc on exploite encore. Donc avant qu'il y ait les rotations là, si vraiment c'est dans le respect de normes, vous allez vous que la quantité ou le volume du voici si l'inventaire est repère, vous allez vous que eh, comment la qualité du voilà, donc a beaucoup augmenté. Si vous prenez maintenant, je vais vous donner un exemple type donc, euh, de la région de Maradi. La région de Maradi, les zones d'exploitation d'Ivoire sont sur la frontière Nigeria. Mais comme là-bas, c'est le reste du monde, si vous regardez donc, les zones, euh, dans les zones euh, donc l'emploi, le forêt vierge du Nigeria donc, ils sont moins boisés que les forêts exploitées du Niger. Donc, si vous voyez les forêts exploitées du côté du Niger, ils sont plus boisés que les forêts, euh, que les forêts euh, vierges du Nigeria. Donc, ici, la meilleure solution peut-être, c'est d'opter donc vraiment au respect de la réglementation. Et je voudrais encore une petite chose, un petit problème. Et le souci, c'est là, donc, pas au Niger. Moi, je fais beaucoup de pays de sous-région tous les, les, jeunes forestiers qui sont aux alentours des grandes villes, vraiment, ont vraiment une forte dégradation. Pourquoi Parce qu'il y a un besoin de grands centres urbains qui est là. Donc maintenant, si vous prenez Nana et Tours, si vous prenez Makolandi, si vous prenez Sky, donc c'est des zones qui approvisionnent la ville de l'année. Et maintenant, les, les, les, les quotas qui sont attribués pour ce marché-là vraiment ne peut pas répondre aux besoins donc, de la ville de, de, de Niamey. Et en plus, le moyen aménagé, donc l'aménagement forestier, les, les, les, plans d'aménagement n'est pas cela, donc date de 1990. De, Donc les, les, les plans d'aménagement ne sont plus d'actualité. Donc c'est ça vraiment qui est un peu notre problème. C'est ça encore vraiment qui pousse un peu la population à faire une exploitation. Mais quand même, si les plan d'aménagement et la gestion sont là, donc chaque quota a son marché, et chaque marché a son quota et qui est déterminé par les services forestiers. Donc, une fois que le marché a atteint son quota, on arrête systématiquement la coupe et on retourne le coupon. Donc les populations n'ont plus l'amabilité donc couper. Mais du moment où on marché vraiment à, n'a pas un problème d'aménagement et de gestion donc vraiment on ne peut pas contrôler le quotas. Donc ceux qui nous voient un peu touchés vraiment après, euh, comment on appelle ça, sur, l'exploitation Mais quand même encore, je suis encore un peu la vie, donc avec vous, mais euh, c'est j'ai vraiment pensé à un peu eh, les, produits de substitution-là, la production donc des produits de substitution-là. Donc, c'est les gaz, les, les, les choses de bois. Mais vraiment, même si les populations abandonnent du bois, donc ils n'ont pas d'autres alternatives. Donc là, vraiment, euh, il y, a y, problème. Même en mais il y a du gaz, il y a les kits de gaz sur le marché, il y a le charbon minéral qui est là, inexploité par euh, les populations. Non, je ne suis pas d'avis avec vous. Je ne pas d'avis avec vous parce que maintenant, eh, les, types de gaz qui sont là, je vous, ai, je vous dit en, en, en première question que y c'est peut-être 10% de population qui utilise eh, ces gaz-là, qui utilise ces produits de situation là Mais il n'y a pas ça en abondance sur le marché. Parce que dès que les gens se font... on ne peut pas. Eh, vraiment, on, on serait en rupture. Donc, vous voyez, si au moins il les 10%, il n'est pas satisfait sur le besoin. Je vous ai donné l'exemple du carême, où vraiment le gaz est utilisé vraiment en, en, en, en grande abondance. Vous voyez donc, dans les mois du carême, toujours c'est de rupture. On a bien entendu l'entretien avec le directeur de la CNCT là. Il disait que si les populations de Niamey se retournent dans la consommation de ces produits-là, ils ne peuvent pas donner, il ne pas satisfaire les besoins donc en un mois. Donc pour moi, je suis le débat les égards. Si vous prenez maintenant, les gars, c'est la même sur le bois. Mais alors, l'accessibilité, et vraiment, c'est la disponibilité qui, qui, qui, qui n'est pas bonne. Alors, Donc, là, les 10%, ne sont plus grands Mais par comment si les 100% de ces populations-là, ou même 50% de ces populations-là, retournent donc à ces produits de substitution. Adamou Garba, comment expliquer ce regain d'intérêt accordé au bois de chauffe dans les gros centres urbains, comme Maman Seni vient de le dire, malgré les actions de sensibilisation et autres mesures incitatives Bien, comme vous savez, on dit euh, changer les habitudes n'est pas facile. C'est un changement de mentalité qu'on demande. Aujourd'hui, quand on compare le coût du bois et le coût du gaz, on se rend compte que le gaz coûte nettement moins cher, que le bois. C'est-à-dire pour la même quantité que vous utilisez dans la cuisson, vous allez voir que vous utilisez moins d'argent en achetant le gaz qu'en achetant du bois. C'est quoi les habitudes Les gens ont l'habitude d'acheter tous les jours, admettons, 100 francs, 200 francs de bois et c'est cette habitude qui perdure. Alors qu'au niveau du gaz, il suffit seulement d'avoir le kit. Et c'était ça le plus compliqué, d'avoir l'équipement de, base, la bouteille, avec euh, le dispositif. Et je crois qu'il y a quelques années, euh, la société Sonihi avait fait une véritable campagne au niveau national pour mettre ces kits à la disposition de beaucoup de travailleurs. C'est-à-dire c'est sur l'ensemble du territoire national. Une fois que vous avez ce kit-là, il suffit partout maintenant de vous faire approvisionner en, gaz. Et je crois que si nous continuons dans la lancée, et des efforts ont été faits au niveau des différents centres comme Niamey, comme Zender, où il y a les premières dames qui étaient intervenues pour aider à, à mettre, euh, comment vais-je dire, les installations de gaz dans les hôpitaux et d'autres centres. Et ça, ça a permis de diminuer la pression sur le bois et l'utilisation du bois. Je crois qu'il y a un travail de sensibilisation à faire au niveau de la population pour que les gens comprennent que ce qu'ils achètent, aujourd'hui, le bois nettement beaucoup plus cher que le gaz domestique. Bokoy Suleiman, euh, comment comprendre ou admettre la persistance du phénomène de la déforestation malgré l'existence des textes législatifs, des instruments et les différentes mesures en vigueur au Niger. Donc, merci. Donc, euh, pour un peu revenir sur les, sur les marchés ouvriers, j'aimerais préciser que euh, les marchés ouvriers ont été accompagnés par les, par les projets. L'État a été accompagné par les projets. depuis 2004, aucun marché Rival de Bois a été créé sur le territoire national. Donc le nombre qui a été créé, c'est 301 mois sur une superficie de 900 000 hectares. Donc ça représentait 12% seulement, c'est le' 12% seulement de la ressource aménageable du pays. Donc c'est pas tout tout, toute l'étendue du territoire. Donc c'est un test vraiment, c'est vraiment une superficie de 9000 hectares qui a été testée. Et actuellement, lorsqu'on a fait l'état de lieu, tous les trois, 101 marchés qui ont été créés, il y a seulement personnes qui sont fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils qui achètent et qui vendent le mois. personnes. Et j'aimerais revenir quelque chose C'est les gens sont en train de faire peut-être une confusion au niveau de la banque du bois. C'est-à-dire, le point qui est concerné par la commercialisation sur le plan national, c'est-à-dire les, 4 millions de tonnes qui sont concernées au niveau sur le plan national, seulement 26% sont concernés par la vente. Tout le restant est concerné par la consommation au niveau local. Vous savez que ce qu'on ignore, hein? même au niveau village, au niveau département, les gens ont changé d'habitude. Avant, la consommation, c'était peut-être une seule qui sort. Mais actuellement, il faut plus que nous ils, sont, ils font trois matin, midi et soir. Vous voyez la tendance de Yamé maintenant avec le, le service et autres. Là, c'est même à la distance ça, avec les Vraiment, ce qui nous concerne, ce qui nous bloque, qui nous intéresse beaucoup de problèmes, il y a une forte demande au niveau local, c'est-à-dire la forte demande au niveau local. C'est ça qui qui, vraiment qui, problème de, consommation de bois. Donc il faut développer des techniques, non pas dans les grands centres mais même au niveau du village, il faut développer des, des techniques d'économie du bois à travers les foyers améliorés. Il faut développer aussi des techniques de substitution du bois si possible jusqu'au niveau village. Ça va nous permettre de réduire la demande. Tant que la demande est élevée, vraiment il y aura une forte, une forte consommation, une forte exploitation de nos ressources forestières. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut. Il faut des trucs comme ça pour sensibiliser la population, des sensibiliser d'abord la conscience nationale, les autorités nationales par rapport à la consommation de bois. Il faut mener des campagnes au niveau village pour vraiment sensibiliser la population par rapport à l'importance de, de, la consommation du bois, à l'importance du bois, pour et en même temps, vous avez parlé de la régénération naturelle qui est en train de gagner du terrain au Niger. C'est une chose qui est en train d'être faite au niveau du village, qui est apportée par la population locale. Et vraiment, ça fait école au Niger. Si on parle de récupération de plus de 5 millions d'hectares d'État dans la zone de Maradi et du Pas. Je pense que c'est depuis pour ça qu'il faut développer pas forcément aller sur l'exploitation de nos ressources forestières, mais aussi développer des campagnes de sensibilisation pour vraiment permettre à tout le monde de comprendre que vraiment larbre est très important. Issa Garba, quelles sont les conséquences de la déforestation pour un pays pauvre comme le Niger <laughs> Les conséquences, je pense que nous le vivons hein, déjà, nous le vivons aujourd'hui. Mais c'est pourquoi je dis que moi, je ne suis pas d'accord avec cette technique de vente de, vente de bois, de, vert. de coupe de vente de, bois vert. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre dans ce contexte de changement climatique où nous sommes frappés de plein fouet, où nous avons une déjà, parce que nous sommes victimes de deux choses. Nous, sommes, nous avons un problème de variabilité climatique qui change par décennie. On ne comprend même pas si par décennie, c'est par chaque deux ans, c'est par chaque cinq ans. On ne sait pas. Il y a la variabilité climatique. Vient s'ajouter encore les effets néfastes des, changements climatiques. Donc, vous voyez, est déjà un pays dont les deux sont désertiques. La, la, seule chose que nous pouvons faire, c'est la protection de nos ressources. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de créer des conditions de substitution au bois énergie. Et ça, nous, nous sommes en train de le faire. Maman Sen, tout à l'heure, il le dit. Il le sait très bien que nous, nous sommes en train de le faire. Peut-être que les équipements, les kits et autres là, ne sont pas accessibles aux populations. Ne, sont pas accessibles. Mais c'est pourquoi je dis que c'est une question de volonté politique tout à l'heure. C'est l'État doit accompagner selon L'État doit accompagner ou l'État doit imposer à ces sociétés-là de ne pas se limiter à la ville de Niamey. Parce que ça incombe aussi à ces sociétés-là de former les citoyens parce que c'est dans leur intérêt de former les citoyens, les communautés sur l'utilisation et à réduire au maximum les dangers. Parce que la réticence, c'est quoi de, nos villageois, de nos parents au village, c'est quoi C'est parce qu'ils ne savent pas utiliser le gaz. Et ils ont peur de l'utilisation du gaz. Effectivement, ça a des conséquences quand tu ne sais pas manipuler. Donc tout ça, là, sont des facteurs qui font en sorte que les, les, les, gens sont réticents par rapport au gaz. Il y a la question de, de l'accès au kit que tu dis, il y a l'utilisation, la méconnaissance de l'utilisation du, gaz. Le jour où les femmes, de, nos mamans en campagne vont commencer à s'adapter à ce gaz-là, elles ne vont plus parcourir des dizaines de kilomètres pour chercher du, du bois. Euh, tout à l'heure, Maman Seigne avait relevé le fait que euh, des fois le gaz s'est raréfie sur le marché. Non, mais ça, c'est, mais ça, c'est, mais, ça, mon cher, il y a pas, même du riz, il y a, il y a, il y a des moments où des ruptures de riz mais il y a des moments où même l'air que tu respires, il y a des problèmes. Nous n'avons de difficultés pour, pour respirer je comprends mon si il, il, évolue dans le domaine, mais il est important que dès maintenant qu'il comprenne qu'il doit créer les conditions pour s'adapter au phénomène là, parce que c'est clair, il doit, il doit créer déjà ça, il doit être C'est pas, pas l'État de, créer les conditions. Non, c'est lui, il est exploitant de bois, c'est-à-dire il, fait, il est dans la commercialisation du bois. Mais lui, mon Saini, moi à sa place, je dois déjà commencer à réfléchir par rapport à je dois être en transition pour me convertir déjà à aller vers peut-être d'autres sources d'énergie qui sera encore plus adaptée que je pourrais mettre à la disposition de nos communautés. Parce que c'est clair, ça va s'arrêter. Parce que le peu que nous avons, nous sommes en train de le consommer. Ça, c'est clair, nous sommes en train de le consommer parce que nous ne faisons que Nous ne contrôlons pas notre consommation. Même, mais imagine la, ville, la, ville de Niamey, euh, ne serait-ce que pour, pour la fête de Tabaski. Combien de tonnes de bois nous consommons et aujourd'hui, je vais te dire, nous avons commencé, ça fait combien d'années que nos ressources que nous, en bois énergie ne proviennent pas seulement du Niger et du Burkina et du Bénin. Parce que le charbon, le plus souvent, ça vient du Bénin. Et si eux, ils décident de mettre fin, d'arrêter ça, nous allons faire comment Donc, il faut aller vers les nouvelles sources d'énergie. Tout à l'heure, le Niger est le pays le plus riche en matière d'énergie le plus riche. Nous avons toutes les potentialités énergétiques au Niger. Mais il n'y a pas de politique. Les politiques ne suivent pas, hein. Oui, mais non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas de volonté politique à aller ou bien à exploiter toutes ces sources d'énergie. Maman Saini, quelle est la contribution de votre association pour la protection et la régénération de l'écosystème donc, euh, nous, en ce qui concerne notre contribution, d'abord, la première des choses, donc, on fait un appel vraiment au gouvernement d'aménager, de réactualiser presque tous les plans d'aménagement et de gestion certifiée donc, euh, des forêts. La deuxième des choses, donc, nous, notre contribution, donc, euh, on dit vraiment aux populations d'utiliser les foyers améliorés, donc, pour un peu réduire la consommation donc à grande échelle donc du bois. Au lieu que tu consommes, non seulement c'est plus économique, c'est économique encore, ça protège beaucoup euh, l'environnement. Parce que toi, tu devrais utiliser du bois pour 250 francs, tu utilises le foyer amélioré, donc peut-être le bois pour 100 francs et faire euh, ton affaire. Donc, en ce qui concerne notre contribution, donc il a dit à ma donc il va, il va commencer son transition. Nous, on a là déjà commencé. Parce qu'on a déjà commencé avec euh, la SMCC et les différentes euh, sociétés donc, de commercialisation du gaz là. Parce que notre activité, c'est eh, vraiment un domaine qui plus de 6 000 emplois. Donc nous, on a commencé la transition donc, en disant au directeur la SMCC là, donc c'est tout le point de vente du bois là qui est à faire au point de vente des charbons minéraux. Et on a dit encore que tous les transporteurs-là, au moins, pour qu'on commence un peu la reconversion. On a dit encore en ce qui concerne les, les, transports de ce produit-là, au moins on va un peu orienter donc certains donc les transporteurs du bois dans les transports donc euh, de, de, ce là. Donc le directeur a accepté mais alors on lui a donné des principes que vraiment nous, on n'a pas le moyen de supporter ces, pratiques-là. Et ensuite, même avec les, sociétés de gaz, donc c'était la même chose. Donc, nous disons qu'on a dédié aux sociétés égalisées, là, vraiment, c'est donner même, pourquoi donner même, parce que euh, pourquoi ne pas même donner euh, les équipements gratuits donc, aux populations. Pourquoi compte fait, l'équipement gratuit, là, donc, l'équipement là, ça ne coûte pas plus de 8 000. Mais quand même, après, tu vas toujours payer, tu vas années, tu vas toujours payer du gaz. Donc ça y va de, de, de leur intérêt. Merci. Donc voilà nous ce qu'on a comment on continue. Adam Garba, comment freiner l'ampleur du phénomène de la désertification et de la déforestation au Niger Bien, avant de me prononcer sur ça, je reviendrai un peu sur euh, cette question abordée par euh, Issa, Issa Garba. Garba. et aussi euh, mm par euh, Seini. Maman Seini. Maman Seini, vous savez, aujourd'hui, euh, comme il l'a dit, tout est une question de volonté politique. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce domaine au niveau de notre pays Est-ce que nous voulons continuer donc à exploiter, à utiliser les maigres ressources qui nous restent encore jusqu'au moment où on va se retrouver vraiment euh, nez à nez sans aucune autre ressource et que même le chef tel que nous avons soit obligé de se retrouver dans des pays voisins parce qu'on aura tout consommé. Et effectivement, ici, il y a un choix politique à faire, il y a une volonté à exprimer par rapport à ces questions-là. Et je pense que Mme Seini, bon, il est tout à fait nouveau ou jeune dans au niveau de cette euh, association des exploitants de bois. Mais je rappelle que déjà dans les années 91, dans les années 91 et 94, 95, nos premières réunions, on les tenait au niveau de l'association des exploitants de bois. C'était pour les sensibiliser, comme l'a dit Issa, pour qu'ils se reconvertissent déjà. Vous voyez, maintenant, ça fait 30 ans que nous, on avait déjà perçu le danger venir et qu'on avait voulu qu'ils se positionnent dans ce secteur à partir donc euh, des structures qu'ils avaient déjà en place pour automatiquement se reconvertir. Si c'est le gaz, ils ont déjà des, ils ont déjà une chaîne qui est déjà en place. Donc ils pouvaient automatiquement faire une transition, passer du bois au gaz immédiatement. Donc, être les pour, cela, Monsieur le Président Adamou Garba, il faut que l'État amène sa contribution. Oui, absolument. Il faut que l'État aide. Et c'est dans ce sens que nous parlons de politique. Et, et c'est pour cela aussi, comme on l'a dit, vous dites qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre la désertification. Mais c'est vraiment un travail énorme. Et comme Issa l'a dit, aujourd'hui, prenez le cas des services des forêts et faunes qui ont cessé d'avoir des pépinières au niveau de ces structures. C'est déjà des erreurs politiques. On ne peut pas, en tant qu'État, abandonner un pan vraiment euh, très stratégique à des privés qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas les capacités. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons le 3 août à acheter des pépinières. Il y a quelques jours, j'ai échangé avec euh, un des anciens qui avait une pépinière. Il m'a dit que c'est lui Maintenant, il fait une pépinière à titre privé pour alimenter hein, les autres. Et ce n'est pas concevable. Aujourd'hui, qu'est-ce que les autres pays attendent de nous C'est de voir que nous avons fait de ce domaine-là un domaine prioritaire pour le Niger pour lutter contre la désertification. Et comme il l'a dit, le phénomène de l'érosion hydrique, l'érosion éolienne, parce que quand il n'y a pas, pas d'arbres dans les champs où on laisse chacun débroussailler tout, mais évidemment, dès qu'il y a un vent de poussière, non seulement il emporte tous les éléments nutritifs, mais il accélère le phénomène de la désertification. Et aujourd'hui, au Niger, ça fait déjà des années qu'on ne parle plus de désertification seulement, on parle de désertisation. Parce oh, qu'il y a oh. des poches de désert dans la partie encore utile de notre pays au Niger, l'accroissement rapide de la population et le phénomène de l'urbanisation ont fait augmenter de manière exponentielle les besoins en énergie domestique. C'est pourquoi la création d'un marché rural viable et durable et qui implique la population locale est nécessaire et indispensable pour une meilleure gestion des forêts. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir au téléphone Suleiman Bokoy de la direction de la la gestion durable des terres au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Adamou Garba, président du Parti écologique du Niger, le RSV Nima. Au téléphone, Maman Saini, secrétaire général de l'Association des exploitants du bois au Niger. Et Issa Garba, président du réseau de la jeunesse nigérienne sur les changements climatiques au Niger. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangu qui vous parvient grâce à nos 41 radio partenaire. Merci aussi à la technique assurée par Issa Kassaini, côté son et côté vidéo Ayouba Mustafa. Merci, au revoir.